même pour la pandémie regarde confinement. Mhm. tout de suite confinement ok mhm. mais confinement dans quel cadre Bonne situation lañ nekk lan Sénégal mhm. lan problèmes, problème difficulté de vie de tous les jours le le sénégalais est ce qu'il y a une sóoraale confinement ba confinement, le couvre-feu à 20 h quest ce qui se passerait quelles sont les conséquences Il y mon après ce confinement là quest ce qui va se passer dans l'avenir dans l'exclusive mi wax solo. est mais il a raison Bounama Fati quand il dit... directeur général euh, euh, le le le qui patron de presse quoi euh, Dakar le le le site internet un truc qui marche super bien mais mais mon d'habitude sax du mais affaire ce matin. Mmh. quand il dit une de l'exclusif hein. mais voilà la de crise s'adresse au monde Bounama Fati lui écrit. oui là, alors Mingi, Mingi, Mingi, Mingi, à peu près tu, hein, ci Mingi, mon président Macky Sall un confinement total C'est possible pour que faire définitivement mais bonne solution quest il faut que jël l'ek ak nan jël ko jox ko Sénégal. Mhm. la ah. mhm. mais mhm. parce que affaire bi day guerres, virus non ah, mais d'accord. mais on peut aussi est ce que on a les moyens de ça. Mhm. Parce que ce n'est pas possible. L'État, mënul dundal tout le Sénégal. 15 millions de Sénégalais l'état du Sénégal nous mhm. il faut que góorgóorlu yi di génn di mhm. est-ce que c'est possible mon bon naa fàttali li parce que nee il faut que jox le ñu il faut que jox le ñu il faut bu ñu problème nous nous leen sécuriser fi ñu ça que leen fa sécuriser mais l'eau c'est l'idéal je suis d'accord avec lui quand il le dit Bounama mais non il faut que nous sachions une affaire. Mon l'État du Sénégal, il n'a pas les moyens de faire ça. Quand on a 13, 13 garçons, 13 euh, garçons et filles, il faut les avoir en Chine nous les déplacer Euh, euh ana et Dos de la est-ce que bataille monnaie mën dit indi. donc yooyu yëpp faisant ça fait qu'on n'est pas dans les conditions euh, financières pour le faire économiquement parlant nous, moi, mané, il faut ñu Le confinement bi c'est l'idéal il faut qu'on se retrouve mm-hmm. il faut qu'on se casse dans nos maisons dans nos demeures dans nos tuiles tout ce qu'on veut mais il faudrait qu'on puisse manger aussi il faut là que des naan mm. parce que ça veut dire que mais da ngay indi beneen corps beneen pandémie nga indiwaat beneen corona mais une hein, corona enfin, je sais pas moi donc donc c'est pas possible donc li nga wax mais Macky Sall du ko meuna def parce que tout simplement bon je sais pas à moins que ñu dimbali ko mu jël 1000 milliards yi dóor ko pour ñetti faire feebar bi jeex ñu vérifier frontières yi feebar bi définitivement kenn dootu ko am. na ne mais amul 1000 milliards il n'a pas ces moyens là ne ko laaj peut-être OMS. je ne sais pas si c'est euh, possible mais il faut aller récupérer l'argent quelque part. ou alors ñu jéem a taxale ba yàlla dimbali li nga wax leer nañ et depuis le début de la de la pandémie sax li nga fi wax pas. Ah, au fur et à mesure. ñu dem gars dañ on se rend compte que